24 auditrices et auditeurs du studio Kalangu, bonjour et bienvenue dans ce numéro de votre émission Le Niger sur Kalangu. Moi, c'est Samira Wafi et ce matin, je suis avec Fanta Shamsou, Bonjour Fanta, tu vas bien Je vais bien, Mira. Et toi, comment tu vas Ça va très bien, merci. Et on n'oublie pas aussi de faire coucou à la merveilleuse équipe qui nous accompagne ce matin. Il s'agit d'Adam Adawaki à l'édition et Abdelkader Chombiano à la technique. Alors, Mira, quel est le programme du jour comme d'habitude, nous allons débuter avec le flash d'information. Il y aura ensuite la rubrique hebdomadaire sur l'environnement, une page sport, la rubrique portrait et le loti du jour. Et dans la partie éco des régions, nous allons faire un tour à Zender pour parler du port du bonnet traditionnel. Et dans la rubrique Entretien du jour, nous allons donner la parole à Ibrahima Teoulam, un entrepreneur sénégalais. Il est directeur général des LBC, un cabinet conseil basé à Paris en Afrique francophone. Comme annoncé, nous allons débuter avec le flash d'information présenté ce matin par Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Oui, bonjour Samira, bonjour Fanta. le flash d'information à présent. Dans un communiqué de presse rendu public hier 28 mai, le bureau exécutif national de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, Ben CDTN, demande au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP et au gouvernement de transition de tout mettre en œuvre pour assurer et garantir la sécurité des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire national. Aussi, la CDTN demande aux populations nigériennes en général et celles des régions de Difa et Tilaberi en particulier de faire montre de résilience face à l'insécurité et de mettre en avant l'unité nationale et la préservation de la quiétude sociale. Le secrétaire général adjoint du ministère de l'Intérieur, Abdraman Ayouba, a présidé hier la cérémonie officielle d'installation du comité interministériel pour l'élaboration de la stratégie nationale du désarmement, de la démobilisation et de la réintégration DDR des ex-combattants des groupes armés non étatiques. Ce comité technique aura pour tâche de conduire le processus de l'élaboration de tous les plans opérationnels tels que le plan de mobilisation des ressources, le plan de communication stratégique, le plan de renforcement de capacités, le plan de suivi et évaluation et les budgets détaillés. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, colonel Mohamed El Haj Ousmane, a donné le coup d'envoi lundi à Gatawani, dans la commune urbaine de Gaïa, des travaux de réhabilitation de la digue de Gatawani et du périmètre irrigué de la localité. Cette cérémonie consacre ainsi le lancement dans la région des travaux entrant dans le cadre du programme Grande Irrigation. Selon le ministre Mohamed El Haj Ousmane, il s'agira de mettre en état l'ensemble des périmètres non fonctionnels et d'aménager quelques 21 200 hectares de nouvelles terres. Le coût global de réhabilitation de la digue et des périmètres est estimé à environ 1,4 milliard de francs CFA sur financement propre de l'État. Et c'est tout pour le flash d'information de ce mercredi 29 mai 2024. Merci beaucoup, Mokhtar, et bonne journée à vous. Merci beaucoup. Très bonne continuation. Merci. Chers auditeurs, comme nous vous l'avions annoncé, notre invité du jour est Ibrahima Teolam, un expert sénégalais en entrepreneuriat. Mais avant de lui donner la parole, Fanta, nous allons écouter la première musique de notre playlist du jour. Il s'agit du titre Dunia de Guessband. bakin kwade ta tamna bakin kashi ya tsaya a makogoro kalkashi kalkasha rabon wani ba naka ba inda naka ne kana naka ma sai yanzu da alheri sai ka ci kura ta ga mai bara dan almahiri bari in bi ka mai bara gona Voilà, chers auditeurs, c'était le titre Dunia du légendaire orchestre orchestre Band de la ville d'Arlit. Un titre à travers lequel le côté éphémère de la vie est évoqué par ces artistes qui, depuis des années, à travers des titres aussi significatifs les uns que les autres, font vibrer les mélomanes nigériens. Eh bien, chers auditeurs, après cette pause musicale, nous allons passer à la partie entretien du jour. Euh, dans cette première partie, Ibrahima Théolam nous revient sur les bases de l'entrepreneuriat, les étapes à ne pas rater pour créer une entreprise au Sahel, surtout les entreprises des jeunes et des femmes. Quelles sont les étapes clés pour lancer une entreprise à succès, surtout au Sahel Au Sahel, pour lancer une entreprise, il est important de comprendre son environnement immédiat, avoir le sens de l'observation et maîtriser son écosystème. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, une personne qui veut entreprendre et qui veut réussir doit savoir s'évaluer, mesurer ses capacités, évaluer ses compétences, se mettre dans la peau de quelqu'un qui fait ce qu'on appelle l'introspection. Ça te permet d'avoir les forces et les faiblesses de toi-même et ça te permet d'avoir éventuellement un plan d'action sur lequel tu peux travailler pour réussir ton ambition entrepreneuriale. Le troisième point qui est intéressant pour un entrepreneur, c'est de commencer. C'est vrai que dans notre écosystème, on nous demande de commencer avec un business plan, avec des bureaux, avec du financement. Ce n'est pas notre modèle car nous n'avons pas un cadre qui permet de répondre à ces exigences. Ce que je demanderai, ce sont mes conseils précis, c'est que lorsque vous êtes porteur d'une idée de création d'entreprise et que vous avez envie de vous lancer dans cette ambition Entrepreneurial, entrepreneuriale, il est important de démarrer avec les moyens du bord. Vous avez envie de créer une application dans le domaine informatique. Est-ce que vous avez besoin d'un bureau pour le faire Vous avez besoin de donner des cours particuliers à des enfants. Est-ce que vous avez besoin forcément d'une classe pour démarrer Donc tout se passe comme si il faut démarrer en fonction de son échelle. Le quatrième point sur lequel j'ai bien envie de clôturer mon intervention, ce sont les difficultés. Et les difficultés, moi, je veux les traiter comme les difficultés de vie. J'ai soif, je cherche à boire je veux parler, je me prépare pour m'exprimer. Je veux vous saluer, je prends le temps de vous saluer. Donc, difficultés entrepreneuriales, de façon générale, j'en parle pas, mais sinon, difficultés liées à la vie. Ces quatre points permettent à une personne qui veut entreprendre d'avoir des points clés et d'avoir des éléments de réponse à ses premiers débuts. Alors, comment est-ce qu'un jeune entrepreneur peut-il gérer efficacement son temps et euh, ses priorités en tant qu'entrepreneur alors, en Afrique, lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat et lorsqu'on s'adresse aux jeunes, la première chose, en tout cas, que les jeunes vous diront, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas de financement. Or, le financement n'est pas un point précis et clé de l'étape entrepreneuriale. Le financement, complète l'idée que j'ai en réalisation. Pour preuve, vous pouvez lister tous les entrepreneurs du Niger, listez-moi également tous les entrepreneurs des pays frontaliers du Niger, listez également tous les entrepreneurs des pays développés, vous allez vous rendre compte que la majeure partie démarre avec leur échelle. On ne démarre pas avec les gros moyens. De toute façon, personne ne t'apportera les gros moyens au moment où tu viens de débuter. L'État n'en a pas, les banques ne vous donneront pas, aucune personne ne vous fera confiance pour vous donner son argent. Donc on démarre avec ce qu'on a. Maintenant, pour qu'un jeune entrepreneur qui a envie de réussir son projet, s'il s'agit d'un étudiant, il faut qu'il démarre au moment où il est à l'école. Démarrer vous dire quoi Je suis étudiant, je suis dans une université, j'ai du temps, j'ai mon énergie, j'ai ma passion, je peux commencer mes premiers débuts. En commençant ses premiers débuts, ça peut être un étudiant qui est en troisième année en anglais, qui donne des cours particuliers pour préparer son projet entrepreneurial futur. En même temps, il s'exerce, en même temps, il est dans l'apprentissage. Il peut s'agir d'un étudiant qui est en géographie, qui propose des sessions de conseil et de formation à l'endroit des femmes qui veulent monter des projets. Ça peut être un étudiant en comptabilité qui dresse des systèmes comptables à des entreprises qui sont dans le domaine informel. Je suis en train de dire, en tant que jeune étudiant, tu peux mobiliser du temps pour t'exercer, pour te préparer, pour apprendre à devenir entrepreneur. Une fois que tu apprends, tu développes ton sens de l'initiative, ton esprit entrepreneurial. Si tu es jeune, tu es diplômé, il ne faudrait pas que ça soit un jeune qui dit je n'ai pas trouvé de travail, donc je vais aller entreprendre. Tout se passe comme si l'entrepreneuriat est là pour uniquement ceux qui ont échoué et ceux qui n'ont pas réussi à trouver du bon boulot. Si tu es jeune, tu es diplômé, c'est ton projet, vas-y à fond. Il faut y croire. Développe ton sens de l'observation, ton sens d'écoute, ton sens d'analyse, ton sens de perception des choses réelles. Et de ne pas attendre à ce que les gens te disent c'est comme ça que ça doit être formé. C'est à toi d'avoir cette appréciation avant d'aller chez les gens. Je veux prendre aussi un jeune qui n'a pas été à l'école et qui entreprend. En général, ce sont des jeunes qui réussissent brillamment. Pourquoi Parce que ces jeunes n'ont jamais eu l'opportunité d'être formés dans des théories. Ils connaissent pas la théorie du tout. Ils connaissent pas les universités, ils connaissent pas les grandes écoles. Tout ce qu'ils connaissent, c'est l'environnement et leurs capacités. Ils conjuguent les deux éléments pour devenir entrepreneur et ça marche très bien. Maintenant, je peux donner une liste de trois catégories de personnes qu'on peut suivre si on veut entreprendre et réussir les femmes. Elles ont l'opportunité de cueillir des feuilles et de les transformer en savon sur l'environnement immédiat. Elles ont la capacité de regarder une matière première, de l'étudier et de transformer cette matière en produit. Et une bonne partie de ces femmes qui font ce type de produits n'ont jamais été à l'école. Donc je suis en train de vous dire, l'entrepreneuriat, on ne peut pas uniquement le mixer aux orientations de l'école. Vous prenez les jeunes du secteur informel qui quittent les villages, qui arrivent dans les grandes capitales. Une fois qu'ils sont sur place, ils ne s'interdisent absolument rien. Ils se battent au quotidien, ils développent leurs initiatives, ils se mettent à fond sur le projet, ils réussissent. Ils peuvent acheter de l'eau, revendre, ils peuvent acheter du matériel, revendre, ils peuvent s'exercer dans le commerce dans un premier temps. Petit à petit, euh, le jeune peut quitter le petit commerce de détail de la rue en installant sa table, ensuite une boutique, ensuite un magasin, ainsi de suite, ainsi de suite. Ces jeunes-là, je les admire, je loue leur conviction, je loue leur courage. La troisième catégorie, ce sont les artisans. Pour la majeure partie, ils connaissent pas l'école mais ils réussissent à fabriquer des tables, des chaises, des instruments, et surtout les inventeurs et les innovateurs qui arrivent à créer des innovations, des machines industrielles que nous utilisons dans le cadre agricole, dans d'autres cadres également, dans la santé, dans l'hygiène. Ce sont des personnes talentueuses. Aujourd'hui, si on veut entreprendre et on a la qualité d'être jeune, il faut suivre ces catégories de personnes, car ces acteurs n'ont fait que observer dans l'environnement immédiat quels sont les besoins et ont actionné leur levier en réfléchissant et produisent des produits concrets. Avant de continuer, chers auditeurs, on fait une autre pause en musique avec euh, le son Weni Reina du groupe Soga. chers auditeurs, c'est le titre de cette belle chanson du groupe Soga, un groupe composé de deux danseurs, cinq instrumentistes et trois chanteuses, Fatia Lidou, Nana Malam Garba et Aïcha Ali Soumeila. Cette voix mélodieuse que vous êtes en train d'écouter est celle de Aisha Ali Soumeila, plus connue sous le nom d'Aïchetou Dankwali, le titre de la chanson qui l'a rendue célèbre en 1999 alors qu'elle faisait partie du groupe leitandiste de Mahmoudou Abdussalam. Sociologue de formation, donc Donkwali dit être obsédé par la valorisation de la culture nigérienne dans une interview accordée à un journal de la place il y a quelques années. chers auditeurs, retour au studio après cette belle balade musicale pour passer à la deuxième partie de notre entretien du jour. Pour ceux qui viennent de prendre l'émission en cours, notre invité d'aujourd'hui s'appelle Ibrahima Teoulam, un entrepreneur sénégalais. Cette fois-ci, Fanta, l'expert revient euh, plus sur les choses à vérifier et plutôt à éviter pour la réussite d'une entreprise et donner quelques conseils. On l'écoute et c'est toujours à mon micro. Je suppose que vous avez eu le temps d'étudier le milieu entrepreneurial ici au Niger. Dites-moi, quels sont les moyens les meilleurs surtout pour promouvoir et de faire accroître une entreprise ici au Niger. Mais ça dépend de qui. Est-ce que là, vous voulez que je parle de l'État, ce que l'État doit déployer, ou bien chez le jeune Je parle des initiatives personnelles des jeunes. Ah, alors, donc l'initiative personnelle d'un jeune qui veut entreprendre, les deux choses que le jeune doit oublier, c'est l'État et la banque. Parce que si tu montes ton projet, en pensant que l'État doit t'appuyer pour que tu démarres, tu risques de ne jamais voir ton projet se réaliser. Si tu estimes qu'il faut monter ton projet, bien l'écrire et bien présenter un plan d'affaires pour que la banque te finance, tu risques à ce que ce projet ne soit jamais réalisé. Donc oublie la banque, oublie l'État. Fonce sur une idée et commence à l'expérimenter à travers le prototypage. Tu veux fabriquer un téléphone portable, c'est ton projet. N'attends pas les moyens pour démarrer. Il faut rassembler tous les éléments dont tu as accès, tu commences à préparer. Même si tu arrives à 40% de ton produit, c'est déjà bien. Tu as envie de fabriquer un outil, commence en fonction de tes possibilités. Alors, je vais expliquer pourquoi on ne doit pas attendre l'État, pourquoi on ne doit pas s'adresser aux banques pour attendre également. Imaginez l'État lance un projet dans le domaine agricole pour que le jeune se forme pendant un an avant le financement. Le jeune est à l'école pour se former pendant un an. Imaginons, à la fin de l'année, l'État dit, le partenaire qui devait m'accompagner ne m'accompagne plus. Comment on fait donc tous les jeunes qui étaient inscrits dans ce processus entrepreneurial vont démissionner. Or, si le jeune avait démarré le jour de la formation à faire un stage avec des acteurs dans le domaine agricole, il est en train de s'essayer, il est en train d'apprendre, il est en train de s'initier à l'entrepreneuriat agricole avant même la fin de la formation, le jeune peut avoir la possibilité de gagner des sous pour commencer son implantation entrepreneuriale. C'est des exemples qui sont très précis sur lesquels nous devons aujourd'hui armer nos jeunes. Un dernier exemple, par exemple, quand vous me parlez d'initiatives des jeunes, il faut que ça soit des, des initiatives personnelles. Si je veux entreprendre en tant que jeune, je dois éliminer certaines choses de ma vie. Les multiples sorties entre amis, qui n'apportent pas de discussion concrète sur le projet, je dois les éviter. Tous les éléments théoriques qui ne me donnent pas l'opportunité de réussir mon projet, je dois les écarter. Toutes les mauvaises fréquentations. Je dois me concentrer sur les qualités de quelqu'un qui a envie de réussir. En parlant de ces conseils, ce qui m'amène à ma dernière question. Comment est-ce que, euh, par exemple, moi, je peux rester motivé et inspiré tout au long de mon parcours entrepreneurial Pour être motivé, il faut être passionné d'abord si tu es passionné, tu as la chance de passer des heures sur ce que tu aimes faire. Et il faut avoir un soutien de l'entourage également. Si tu as envie d'entreprendre, tu veux réussir, tu dois mobiliser ton entourage, tes parents, si tu es femme, ton mari, tes enfants, si tu es homme, ta femme et les autres acteurs de la communauté. Il faut qu'on te soutienne. Le troisième élément qui est important également, c'est d'avoir cette capacité d'analyse et de ne pas réagir à la place du client. Toi, tu proposes, prends le temps que les gens apprécient et que tu te fais une idée de ce que tu as proposé sur le marché. Un quatrième point également, se remettre en question régulièrement pour préparer ton produit à l'innovation, pour préparer tes services à l'innovation. Être ouvert donc à la créativité, parce que si tu proposes X aujourd'hui, demain peut-être X, il faut l'améliorer en X prime. Donc il est important quand même que l'entrepreneur puisse intégrer cette dynamique dans son processus entrepreneurial. Merci beaucoup, M. Théolam, pour votre temps accordé au studio Kalango. Merci, c'est un plaisir de venir au Niger, de partager ma réflexion avec vous et surtout d'adresser mes recommandations aux femmes et aux jeunes pour qui j'ai beaucoup d'admiration en Afrique. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Et place à présent à la rubrique environnement du jour et nous allons parler de ces petits insectes bourdonnants, les abeilles qui jouent un rôle crucial dans notre écosystème et notre quotidien. Sans elles, de nombreuses plantes, fruits et légumes ne pourraient pas se développer, menaçant ainsi notre sécurité alimentaire et la biodiversité. Mohamed Maman a réalisé ce reportage qui traite de l'importance de ces abeilles pour l'homme. Très craintes pour leur pucule très douloureuse, les abeilles sont pourtant des mhm. insectes généralement non agressifs. En effet, elles sont des insectes dont les mhm. adultes sont plus velus et se nourrissent de mhm. nectar qui est une substance sécrétée par les plantes et qui constitue la première matière dans la fabrication du miel. Pour le directeur régional de l'environnement, le colonel Lawal Soumela, les abeilles ont une organisation plus importante que celle des hommes. Cependant, ce petit insecte est très important pour les hommes. C'est une reine euh, avec des soldats, avec des ouvriers donc euh, vraiment, c'est une organisation qui est là, qui est bien bien structurée. Et les abeilles, ce n'est pas leur importance sur euh, notre propre survie. C'est que les abeilles participent à la pollinisation des plantes à travers euh, le mécanisme qu'on appelle l'entomophilie. C'est-à-dire que c'est la pollinisation par des insectes. Et les abeilles font 80% du travail hein, parce qu'ils bitument les fleurs et donc ils prennent les grains de pollen pour amener euh, sur d'autres euh, fleurs femelles. Ils font tomber les graines de pollen et ils accentuent le processus de la fécondation. Sans l'abeille principalement, on n'allait pas avoir beaucoup de graines. Euh, une en Allemagne, avec l'utilisation à outrance des produits chimiques, ils ont tué, ils ont éliminé plus de 80% de la population d'abeilles. Et quand ils ont vu que la production céréalière et même de certains fruits a drastiquement diminué. Ils ont fait des recherches là-dessus. Ils ont compris que, non, en fait, c'est l'absence des abeilles ou bien l'insuffisance de l'activité des abeilles qui a créé ce manque à gagner. Si les abeilles vivent le plus souvent à l'état sauvage, à Maradi, des organisations et des personnes privées élèvent ces insectes pour avoir du miel et d'autres produits de la ruche, ce qu'on appelle l'apiculture. Et la générale Olibaro, qui élève ses abeilles dans son jardin, explique l'intérêt qu'il porte à ces insectes. in ka shekara yin wanga gida na bututu da damana ta yi da irin da ka same leda sai ya lalace kuma ita abu ce wadda ba ta san iska ko kaɗan da an ce an samu iska to ko hita ba ta mu kama in ka ɗauka ko ga doki wantar za ka ganin ai su tura waɗanda suke yi nasu kama yan shanjabul kamar suna yin sinar na roba mu kuma wannan ci gaban bai zo gare mu in aka yi da wani bi kana iya zo ka iske ta in wata yana da haske kana ya buɗa baka samu komai ba amma in wata ya shiga duhu in baka yi lacci ba kana ya zuwa ka hidda ka samu ka cika robobi ka zo sai an matsa ake sanin abin da aka samu ko litar na wani kuma abu ce wadda duk irin yadda kake da ta kayan kaɗan ka aikin ta da rana sai da daddare a gaskiya abu ne mai kawo alheri kwarai le da wani sumaila a que la production du miel avec l'élevage des abeilles peut être très rentable. Le miel, en tout cas, quand vous prenez, en tout cas, le plus bas prix, c'est 5 000 francs le litre, le miel filtré. Et si une organisation arrive à produire, ne serait une cinquantaine de litres, vous voyez ce que ça donne. 50 litres, ça vous donne déjà 250 000 francs. Et c'est des récoltes qui se font pratiquement euh, mensuellement. Hein. si vraiment vous avez assez de riches, ça se fait mensuellement. Mais c'est pas seulement le miel, vous avez le propolis, vous avez même les pollens il y a un certain nombre de, résidus ici de l'activité d'abeilles que l'homme récupère pour faire des médicaments. Dieu a montré l'importance de l'abeille parce que, de par son importance, Dieu a fait une sourate des abeilles. Chez nous, les abeilles évoluent normalement, sauf que euh, là aussi, il faudrait que les gens euh, arrivent à réduire l'utilisation des produits chimiques. C'est des produits qui, peuvent, euh, en tout cas, porter atteinte à la survie des abeilles. Le Conseil danois pour les réfugiés DRC, avec l'aide de la Direction régionale de l'environnement de Maradi, envisage très prochainement l'installation des ruches dans la forêt de Baba dans le département de Madarofa, pour initier les jeunes à l'apiculture, une manière de lutter contre l'extrémisme violent que connaît la zone. Merci Mohamed Maman pour ce beau reportage. Avant de continuer, chers auditeurs, nous allons prendre une autre pause musicale, le temps de vous laisser souffler également, et nous allons écouter le son Mumaza de l'artiste Abdusalam. yake ajema hata chers auditeurs, c'était le titre Moumaza, un titre qui parle de trahison, de l'artiste Mahmoudou Salama. Après cette pause musicale, nous allons continuer avec le reportage région qui nous amène à Zender ce matin pour parler de la commercialisation du bonnet traditionnel. Exactement, Mira. Le bonnet traditionnel est un accessoire utilisé dans notre société pour divers usages et c'est surtout un symbole de dignité, de responsabilité et de sagesse. Zara Boukar nous en dit plus sur le commerce de cet accessoire dans ce reportage. On écoute. Les portes de bonnets traditionnels est une coutume qui se perpétue à travers les générations. Les bonnets sont pour la plupart fabriqués chez nous de façon artisanale selon divers designs. À Zender, par exemple, cette activité est pratiquée par des artisans spécialisés à la matière. La fabrication s'est faite sur commande des clients à cause du coût exorbitant des accessoires, explique-t-il. yawanci yanayin wula hula mu an ce mu yi muke saboda yanzu saboda Allah in ka ce ka yi ka sai da zare tsada gare shi wani wannan zaren yanzu abin da ake sai da shi a nan garan ana sai da shi ɗari in zama ne za ka yi sati biyu ne kawai za ka yi ƙari amma irin kamar aikin namu ne yake ita ba za ka yi ba ka tsaka ci abinci a kanta ba kan saboda Allah ka kai wata biyu haka kana da hamsin Aux côtés des artisans se trouvent aussi les importateurs de bonnets provenant de la Chine ou du Nigeria. Chez eux, le marché se passe bien parce que le prix répond aux attentes des clients, disent-ils. da irin su yan dubai gaskiya ana samun sayan su amma in kai ragi tsakani da allah kasuwa tana tafiya daidai gurgudu kamar da ya kamata amma dai gaskiya bai kai shekarun baya ba an dan samu ja baya Selon un utilisateur que nous avons trouvé sur place, le bonnet est un symbole de dignité et de sagesse. C'est pourquoi il le porte toujours. kamar sutura ce tana daga cikin abin da ya shahi sutura ta dans adam wanda zai ringa amfani da ita illa ce kuma yanzu a ce mutum yana yawo ya kai shekarun da zai sa hular bai sa ba Malgré son importance, force est de constater que le bonnet n'est pas très utilisé par la jeune génération, se plaignent les anciens. De la fabrication, la commercialisation et le blanchiment des bonnets, c'est toute une chaîne d'activités qui y sont liées, contribuant ainsi significativement à la préservation de notre patrimoine culturel et au développement de notre économie. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Chers auditeurs, il est 11h passé de 37 minutes et c'est l'heure du sport et notre chroniqueur sportif Sergio Adam vient de nous rejoindre dans ce studio. Bonjour Adam. Bonjour Mira, bonjour Fanta. Bonjour Adam. Adam, avec quoi nous allons débuter la page sport de ce matin Eh bien, nous allons revenir sur la finale du tournoi IFOAB qui s'est disputée hier soir à l'université Stadium d'Accra au Ghana. Cette finale a mis aux prises les étalons cadets du Burkina Faso contre les éléphantos de la Côte d'Ivoire. Et ce sont les jeunes burkinabés qui se sont emparés du trophée au terme de 90 minutes grâce à leur victoire de 3 buts à 1. Rappelons tout de même que les deux équipes finalistes, à savoir le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, ont validé leur billet pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de la même catégorie en 2025. Lors du match des troisième places, le Nigeria est venu au bout du pays organisateur, le Ghana, sur le score de 3 buts à 2. Et Adam, pour terminer, parlons de cet incident survenu hier entre le président de la FECA Foot, Samuel Eto, et le nouvel entraîneur des Lions Indomptables. Eh bien, Fanta, les images de cette altercation entre Samuel Eto, président de la Fédération camerounaise de football, et Marc Brice, le nouvel entraîneur nommé à la tête de l'équipe nationale des Lions Indomptables au siège de la Fédération, n'est pas le premier du genre depuis l'arrivée de Samuel Eto à la tête de cette fédération. Inutile de revenir sur l'effet de cet incident qui n'honore guère l'image du football africain, mais notons tout de même que quelques heures après, le comité exécutif de la FECA a nommé un nouveau staff à la tête de l'équipe nationale pour les rencontres à venir, à savoir le 8 et 11 juin prochain, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe, du Monde 2026. Ce mercredi, le ministre des Sports camerounais a convoqué les membres de la FECAFOOT à une réunion urgente au ministère afin de résoudre rapidement ce problème. Chers auditeurs, c'est l'essentiel du sport de ce mercredi 29 mai. À demain pour un autre numéro. Merci beaucoup Adam pour toutes ces informations. Et passons à présent à la rubrique portrait. Notre étoile du jour s'appelle Chokoy, un jeune homme de 17 ans. Il travaille au petit marché de poissons d'Edifa où il écaille les poissons achetés en échange de quelques billets. Il y travaille depuis deux ans. Chokoi a également aidé d'autres jeunes à gagner leur vie en les apprenant, les prenant plutôt sous son aile. Découvrons son portrait avec toi, Fanta Nous sommes à l'extrémité ouest du marché du poisson d'Edifa. Ici se tient aussi une autre forme de commerce liée directement à la vente de poissons. Et traînant un corps presque chétif, celui que tout le monde appelle chokoi dans le marché, s'attelle malgré la chaleur à écailler un gros poisson, une machette en main. Un surnom qui a caché son vrai nom, à Bor, et cela fait plus de deux ans que ce jeune homme de 16 ans

watarana n'a jamais mis les pieds à l'école. Originaire du Nigeria, il a rejoint la ville d'Edifa depuis sa tendre enfance en compagnie de ses parents. Dans ses marchés, il a pris sous son aile plusieurs autres jeunes de son âge avant que ces derniers ne s'installent aussi à leur compte. ko suna ma ba ni ya rubuta ba na allo ba na allo na taba na bari eh. kai ma ka jayo abokan ka sun shiga ciki eh diya sun shiga wanda karkashin mu suka gani suka iya suke yi a suna cin gashin kansu a a takance dai ana samu kowa ya tashi dai yana samu dubu hudu yana samu dubu biyu wata ranar babu babu ma yana samu dubu dai da biyar yana samun demil naira yana samun kuma akwai wanda da su su zo su dauka a kai su gidan na zalek a jara musu kiyin su iri na koli na tayya da gidan nan akwai wanda na ga kuma da su zo su mushe su zo a tai da yara a jara musu su yi su misu ambali a ba su jika guda san kimil wani har eh, aiki diyawa ne aka yi kenzimil ma ana ba su ben mil ana ba su eh. Sani Garba fait partie de ces jeunes qui ont évolué avec Chokoy.

Le marché de poissons des représente une véritable opportunité d'emploi pour les jeunes et même les moins jeunes. Chacun y trouve son compte. Chers auditeurs, euh, encore une fois de plus, nous allons avec un autre tour en musique. Après ce portrait, et ça sera avec le titre Temeditin de Atrinit Nessouf. Thank you. سنكو غمدا لطبانا ندمك لواتي جيش السنة صادق رشمك قدري سلام تميدتي لم قدري سلام في الأسنك وغمدان تضعنا ندمك لورتي جيش السلام Hare Krishna présent au loti du jour. Et aujourd'hui, Mira, la chronique Loti nous parle de celles-là même qui agissent violemment quand leur mari veut prendre une seconde épouse. Certaines vont jusqu'à attenter, voilà, attenter à la vie d'une personne. Eh bien, la loi est là pour servir c'est ce qui ressort de ces échanges, de ces échanges entre Salamante Kadri et toi-même, Samira Rouafi. Loti, wo ra da irkoy ba a si windo ay ay se no a siwa da ai jiiri sai na gabde go goro care bandi a carbande a gake se laaraba sanni ga a ne wai ma tagan kani gorga sin ai go mani se za ai windi zoga ai mil bani ni bofono go salan kan bagasi si gobo ai na man dai na ngai manu kadi hankan no gote hey kadi ai sai kuttu ginse a walla sigite wai kai min ha tali gai gano ai ga merni bai a ni walla si meri to ya dinga ai zenu no wala a a goga sin wallahi ni man zenu ai fo sin go dai ga hayan ai wotai si hmm. ai ai sin ha yamu yamu ai goga ai gorai te

mantan dunya tun yango no bo koina dunya mamban mantin gana sintina si banni gamo mantin hinni se ni sintin gite waice ya dinga ni min lakal kanandi ni mga idan da wani ni kwa lakal kanase ni zan kai mu bo se im dug zada gune ni wo albegi no ni him gimbonte albegi ni noti wanda bego ya dinga ni him gimbonte lakal koni ni ku ni mu dugin berandi wankan go ka ga da kingamu ingu mo min begandi ifo hadde hijawo sanno amon faida ha aigihin ga ba'awi subhanallahi mari shine yadi ne ha masalan ya ce ne dinyan kan irwa alisilama yanno da yadin no irko kodar ni se haikul kunno sa gangi har sa ka fun sa ka yadin gani himga yaddan da wadi maskoi ga masal foyen tunan dikkan din bon sefa gune ni wasan ni bobo no ni gaba gune ayi ma wi. ayi mu bar gai bon wi ayi mu di ma ifo na kwagi hijai te da wadin banda yan, ni gaba ni min kunyi wi hijai maga wallahi ma hagoi dimbo marin bai hankan ga fattin wura hankan ni wo wallahi hamanta har hannanu ni su bai hankan ga hingu doni nin da juzu kwara bore ga marafa zuzu kwara zuzu kwara me nijar laboki kiti man manne kala bokul kan na bofowi hin kwanda kasu ingin bo kala mu bu ago kasa ga ya dinga ma hagoi dimbo ni mo de da fodu mani goye kata ga kwai ne ga tonton aisi o me hankan ni te bofo se ingi deni ga yegi te ni semi kwai ni mugun gidi ni zankai hawo kan ranig dirgina imne ugune no ya zankai din kan inyani bi igin binni kalima bu ko ni hari lala da giti nigin izai te ala tu miziyan ni woni sino ni go kaso din ne nigin bon bi din man buno ya ni go kaso ni ni bi te ala tu miziyan wallahi ma bai hankan ni gici <laughs> ai wai sun da ba me sanni ai kan go wai bure kan dinne yakin no gite ni kwara ya bura sin mai wa kakau imini gote se wace hawino me ai sin da ba me sannai calera haba mari masine yade maguna har hanne kan goni me manta har lalhin no go waiki te yan rame mula sabu gidi kan maze kai ni ni go kan dinse agan ga goye fai ni gudu ga fulan zam ni ga yegin lakalo yetin izai ga koi ni goy fono a din da mai wani kwara bor fai rim ye ga dai fai gina no ro yi ga fai ga no jerano haba mari ni mo wadin da ti higa albarka meni mo sato din hinni ni go te som waran te bokin karim ga ya kulfe mata ga gagoi ya dinga ba no go duka ni waran him ga faime bai ga haru wat ga kani ga din nika ma kan rayi go so ir koi mari musidin kan se ndiye go hinna nan go hin kuno gaise nan gufo Voilà, chers auditeurs, à présent, nous passons au mot de la semaine qui est fact-checking et nous sommes en compagnie de Alassane Abdou qui va nous l'expliquer en Zarma. Bonjour Alassane. Bonjour Fanta, bonjour euh, Samira. Bonjour Alassane. Bonjour euh, Fanta. comme elle vient de le dire, aujourd'hui, euh, le mot que nous allons traduire, c'est le mot fact-checking en Zarma. donc uh, matakan da irdo na kaci da borai bai kan kokor bando yayo kan kamantikala taro da miman da boba kan gwar kan gati labarai fondai bon da radio nona hangan da tele nona gona wani wani zamani jina kan go borai ka raka signa telefon kai yayo ka bude nuna na se tus tusu tus tuso na kai yayo ka susu ballahu ko tar ta gino na gidi diman ke ben se gorni kan gondo fono bon e ke ben se ifo di fo di fo to hay woni yen wo kan ka woni yen hinirani ko kidi bori yen kan gatri yan hantum ke sanni yen naga naga cerga kan sinde kya sinde bon taru woni ke lakkal tunay dan borai se ke fitin dan borai se woni wone kate bayre koyne iko ngai bon guna fo non gege te kanga duka ina da mize lakkale kanandi ka de de gene konkonsati konkonsa kimno hausanno amma bori yen kina se fizawiyan fi yan walirim ne feri feri yan teka duku kwe ka bai tuwo ne kan buroci fondu furano a fatta manga akajo kan ga dukuna ima tabbatan di ya niga dirko ga sambu fak cikin guwo manta dai kala misai kan gogace misu wane yau matuna igihin kwaki fi zau kugun ka bai halkimiyan waltariyan nan wo sigine fact checking amma dir ko kila sabu jirbe wo kullu dir se korbondo kullu an sare e gmargane bo te labar no kaise fact checking on formation no gote yakin da kin formation no gote fact checking mana dati har kan war ko gichiwo ciwo matni gite ga fizo tabbatan di zai se kan cimino wal cimisara wal tari harrakno kanga duku borai faba imu waficino bobo ni kana tirkatare ni kan a ah, kwar filanara izu fute huro ina bor wacinda gobo ngai pati ina bor yangunda foru ite yakinde yakini ni kanga moru la kaltune go hornse wonnin bazur ba hala misaga ka do bore ko gnim ne he woni ka go ciwo manta bayar niger la borano hal central africano manta nongo filanno hal nongo filanno donc la sabaydin fizawiyangaydin fer fer yangaydin kanga ndo kunan bore ko ka wallahi sanno ki ciwo merci beaucoup Alassane pour euh, ces explications. Et pour nos chers auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser un message au 82 89 89 64 si vous avez des mots ou des expressions que vous aimeriez comprendre en anglais, en hausa, en zarma, en tamaché, ou en fulfulde. Votre participation est la bienvenue. Et justement, Fanta, il est temps pour nous d'écouter les messages envoyés par nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Salam alaikum. Studio Kalangu. Ara sa giro dirga ma ka ni no wata kulu da aran ka lo aran mi songo bon dirgo ga hangana ran se gumu gumu ne aran labarai din karan gano zarmaci naga auski naga faranski naga ballaki naga e eh, flanki naga dirgo ga hangana ran sai gumu gumu ne suna na na da mai sai da esansa sanar tashar daji alhamdulillah studio wannan muna jin daɗin wannan gidan radio saboda muna amfani da shi sosai na nan ga saboda duk halin da ake ciki nan gwargwadon hali muna amfana da shi saboda al'amuran yake gudanar su a wanda muna jin daɗi irin labarun da ka watsa saboda kana nan zamne sai ka ji sirrin kasar ku ba san da wani abu sai ka ji shi in na karuwa na in wanda ba na karuwa ba dai za ka ji shi sannan mutane na masu waɗin gaskiya al'amari sannan suna shiri na ci gaba ga al'umma wannan abu da suke yi muna jin daɗin shi saboda mi suna ƙara waye muna kai to kaga wannan waye kai kuma ci gaba na ko yaushe muna cikin saurare gare shi saboda ya ka iske sassan ƙasar ga to ko ne a da suma da departuma da birni da ƙauye ko yaushe za ka ji suna biye da mutane saƙo da saƙo suna tambaya wani hali kuke ciki kuma ana faɗa musu suna ji suna watsa ma duniya to kaga kuma suna kira ga shugabanni don su san halin da talaka yake ciki kaga wannan abu ne na ci gaba wanda ya zamanta sun shiga sako da birni da ƙauye suna kiran mutane da a samu ɗan ƙasa halin da yake ciki saboda su ma shugabanni su san halin talakansu da suke ciki to wannan gidan radio shi da wannan kokari to bisa ga wannan kokari muke fata ubangiji Allah ya tsare shi sannan muna jin dan ayyukan shi dan haka asuma arzuka muna fata wannan gidan radio Allah ya tsare shi Allah ya kare mana shi sannan muna jin daɗin shirye-shiryen shi ko shi muna bai da shi sannan su ƙara kokari ɗari bisa ɗari shina amfanin al'umma alhamdulillah mai magana da ku mala aliya gurmu a nan dogon tsaye an kudi maganin zaman akan duniya ko lokaci muna bai da kwa su duk da shirin da kusa muna na muhawara nan eh, da kuka sa ko lokaci na ana muhawara ana waye mutane kai wanda wani bai sani ba shi wani san shiri wannan na muhawara da lokaci zuwa lokaci ina saurare shi ina gaida ku ina gaida aliyu bawa. ina gaida amna wanzam ina gaida mai martaba abubakar malam ali ina gaida aliyu malija assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kana tare dan jimma ba gobe godiya da wannan al'amarin na cido kalangun nan ta ba mu hanya muna godiya muna godiya eh wallahi gaskiya ne wallahi mu abinda wannan abin ya ba mu ci gaba tunda abubuwan da aka cikin kasashe ba kar labari to in ka kama wannan radiyon sai ka ji duka abubuwan da an kai cikin kasashe daban-daban sai ka ji shi duka da na cikin kasar duka kaga kenan wannan abin shi ma ci gaba ne munan gare mu arewa mu ci gaba ne gare mu wannan gidan radiyon wallahi muna godiya kwarai ne da inda a samu na dan awoyin nan da an ka bada mintotin nan da aka ba duk wani yare wallahi da mu samu ai dan kari muna gaida kuma na jinjina muku kuma Allah ya taimaka Allah shi budi Allah ya ka dauka kuma gidan radiyon din nan da namun da nasun duka ya ci do din nan duka gaba da Allah ya taimaka Allah ya taimaka Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Voilà, chers auditeurs, nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Nous avons adoré passer ces une heure en votre compagnie. Merci à toi aussi, Fanta, pour ta compagnie. Je t'en prie, Samira. Au micro, c'était Samira Wafi et avec moi, Fanta Chamsou. Rendez-vous est pris demain avec un autre duo. À la technique, c'était Abdelkader Chombiano et Adam Adawaki à l'édition. Bye bye.